bëri xamuñu ñu wala xamuñu ko moom ñun la ñu xam moo tax ñu gën a sonn ci moom pour yéen ngeen xam ko ndax defe naa ne xam ab Ablaye saar njëriñ kese la ci ñun ndax lépp loo xamante ni rek bëgg-bëgg la ci askan bi fii surtout artisan yi lépp lu mu mën mu ko ciy def kon Ablaye Sarr bisimilah ku pentum namoon nañu la ñëpp leen bëggoon a gis amaana nag jotaay bi sax niñ ko bëggee woon amee wuñu ko noonu mais nag suñu yéene ëpp na lii ñu def mais suñu kàttan xëy na fii la toll naan leen bisimila monsieur Ablaye Sarr président chambre de métier yal na yàlla yokk sa liggéey fi nga bëgg a yóbbu artisanat yal na yàlla yóbbu ko fa parce que sa yéene rafet na sa taxawaay rafet na ci région bi du ñu ne sax raison bi léegi Sénégal la ñuy wax parce que partout fépp fu ñu taxaw xam na fuy chambre de métier bu Tamba toll ci biir Sénégal. bëgguñoo lim képp ki nga xamante ne si yaa ngi fi taxaw di ndaw di mag mbaa ngay jigéen. maa ngi lay nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant Ablaye Sarr di am mbégte lool ci sa teewaay tey jii ci festival di ñaan yi vraiment ñu rafetlu ko lool ak ubbite bi nga xamante ne si tey jii def nañ ko fii ci suñu euh, exposition yi nga xamante ne si muy jigéen muy ndaw muy góor wax dëgg yàlla ñoo góorgóorlu ba produire yi production yi ngeen gis ñu teew fii ci table yi kon ñu leen di dollee dénk suñu bopp rek. muy jigéen ñi département bu Koumpentoum ak ndawi Koumpentoum ak département bi di leen xamal ne ñu brave ñoo fi nekk ñu bëgg liggéey ñoo fi nekk parce que lii fi nekk vraiment amuñu benn moyen mais ak suñuy dëbal dëbal vraiment ci la kenn ku ci nekk lijjantee li nga xamante ne si moom la ñu indi kon ñu leen di dénk suñu bopp bëgg ku ñu jàppale bu baax a baax pour ñu mën a suqali suñu bopp suqali suñu njaboot ñu ngi leen koy dénk bu baax a baax am nañ yaakaar bu baax ci yéen yàlla na ko yàlla jàppale jappale len ba ngeen xamante ci da ngeen ñu mëna dimbalé bu baaxa baax lo xamante ci dana suqali département bu kumpentum ñu ngi gëreem ñepp di sant ñepp suñu taxawaay ci ñun rafetna su lolu jalle ma ngay nuyu Ablaye Sarr mom mi nga xamante mo yor mo nek président chambre de métier région Tamba liggéey mu rafetna lolu ci ñun ñun toujours dañ koy wax na ñun xamuñu won suñu bop ci bir chambre de métier mais tey jii xam nañ suñu bop ci bir chambre de métier lool mom moko waralon yobul nañu ay formation du benn yoon du ñaari yoon ñu ko ci gërem di ci sante ki nga xamantene tamit moy suñu antenne euh, présidence chambre euh, de métier fi ci coupentum muy El Hadj wax deug fay yalla fépp fi nga xamante ne war na faa taxaw rek mu ngi fay def tey jii bés bu rëy rëy rëy la ci ñun li nga xamante ne bëggoon nañ koo def yépp sax maanaam xat-xat moo ñu ko jàppee ba mënuñu koo def benn bi li ñu def nii dañ koo xeeb li ñu bëggoon a def yépp dafa bëri woon maa ngi nuyu waa station tailleur bi yépp ci Koupentoum bàyyi ma kenn li nga xamante ne nag suñu jafe-jafe la mën naa ci dolli tuuti rek manam marché coupentum teyri am gisunu sen bop ben yon amuñu place amuñu cantine dul sa amuñ ko fa luni luñu luñu luñu luñu khas euh, la si lolou jalle manam li nga xamantene moy problème blouse yi manam marché yi nga xamantene ñi ngi am ci biir dëkk bi di yobbu fenen ngir yàlla président Abdoulaye Sarr ñu ñuy yóbbu formation ñuy formé ci yu mel nonu pour mu dañ wa dëkk bi nañu ñu bu euh, marché amaté nañu jox ñu liggéey ko fi ci Koumpentoum dëkk bi mëna dem ci kanam wa lool dal moy nekk suñu parole ñi ngi nuyo euh, wa Elassar délégation bu mu andal yëpp. ñu nak léegi nga yi ñuy def ni moy suñu suñu mission la ndax chambre de métier mission moy li ñuy def ci la bokk. mooy taxaw artisan yi fépp fu ñu mën a rek ci di leen yokk xam-xam di leen encadrer ci ñu wut mën a wut ay marché di leen aussi jàppale ñu mën a am ay financement ak yu mel noonu yàlla dogal yi tamit ñu tombe ci nguuru koo xam ne dafa jox gëdd artisanat muy son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal ñëpp gis ne bi mu ñëwee bi mu ñëwee gëdd gi nga xam ne jox na ko artisanat yàlla yàlla sagal ñu itam ñun Tamba muy conseil de ministres décentralisé bi mu defoon fii nga xam ne ci la jëlee décision majeure yi nga xam ne jël na ko pour réformer secteur artisanat jox ko gëddaam def ci moyens yi ci war yi ci war pour mu mën a dem ci dem ci kanam mu denk ko itam ku mat a dénk muy ministre Mamadou Talla di ministre de la formation professionnelle artisanat xam ne recevoir nañu barki démb euh, semaine passé passée du moins waxtaan ak ñun ci secteur bi gën a ñëw yeesal yéeneem wax ñu aussi li fa nekk ci ay moyens ak ay projet yoo xam ne am nañ yéene def ko ci secteur artisanat bi muy loo xam ne vraiment bu yàlla dogalee lépp dem ci secteur bi ni mu waree daañu gis suñu bopp ci ci ci ci gouvernement bu bu Sénégal développement bi nga xam ne président yéene na ko dina dina am. donc foire bi comme ni ko kii waxee sànq foire dafay loo xam ne lu am solo la ñun chambre de métier bu Tamba dañuy sant bu baax ñi nga xam ne ñoo initié. Eh, pencam ñaani bi muy festival bi ci njiital conseil départemental bu bu Koumpentoum ndax ñun dafa bokk ci suñu mébét foire ñu koy instauré di ko def ci département yi di ko def au niveau régional loolu suñu mébét la xëy na mooy yi ko defee moom moo amagul comme niñ ko bëggee waaye loolu mooy suñu suñu mébét Koumpentoum nag tàmbali nañ fi daaw euh, defaat nañ ko ren gën na amélioré wu inshallah allah rabbi dinañ jël engagement fas yéene gën ci taxaw di ko gën a waajal di a préparer ba nga xam ne dina nekk euh, modèle ci yeneen département yëpp nga xam ne dañuy mën di instaurer ay foires départementales dans les régions ah, dans les départements ensuite ñu mën def ay foires foire euh, foire régionales ah, comme ni ma ko waxee sànq président Macky Sall am na yéene def bu baax ci secteur bi honorable député euh, président Macky Sall ci conseil décentralisé bi mu defoon fi Tamba en 2013 ci mébét yi ñu ko joxoon bokkoon na ci tabax ay euh, village artisanaux ci département yëpp yu Tamba muy Bakel Koumpentoum Goudiri Goudiri ñetti ñetti département yëpp ñaaroon nañu pour ñu tabax fa ay village artisanaux bon bu Bakel moo jiitu woon tout dernièrement ministre bi ñu recevoir jël na engagement pour tabax ren 2017 bi fa fële village artisanal bu bu Bakel su fekkee la ñu problème délibération donc ma leen di ñaax aussi yéen ñi nga xam ne yéen dem assemblée national yéen a yore aussi raay réew mi ngeen jàppale ñu plaider pour que village artisanal bu Koupentoum ñu mën ko tabax ci nu mu gën a nu mu ndax bokkoon na ci ci programme conseil des ministres bi te itam boobaak léegi mu ngi bëgg def ñaareel ba ñett donc information aussi ma jox la ngeen gën cee taxaw bu baax euh, pour que ñu mën koo pour que ñu mën koo def. jigen ñi dégg nañ sen sen sen sen sen doléance li gën fi wax yépp dégg nañ ko comme ni ma ko waxee sank tamit euh, ministre amna lu ñu wax ci walu financement yi semaine passée bimu ñu recevoir amna ay ay ay financement yo xam yu disponible la inshallah ñu ngi xol yeen voies moy lañu mëna def pour jigen ñi mëna accéder ci yenn ci yenn ci yenn financement yi bu soobee yàlla. tailleur tamit li wax ci walu marché yi comme ni mu ko waxee ñun bo gisee ñuy. xëcc nit ñi toujours ñuy def ay formation marché dafa am lu mu laaj ndax président yéeneem la am ne fas na yéene octroyé artisan Sénégal yi 15 euh, de la commande publique et 100 du mobilier national mais loolu pour mu mën a am artisan yi tamit dafa am lu mu laaj mooy dafa laaj ñu yokk suñu suñu xereñte maanaam ci wàllu liggéey ñu mën def ay liggéey yoo xam ne liggéey yu set lay doon mais aussi ñu organiser wu ba nga xam ne commande lu mu reey reey bu ñu ko joxee ñu mën ko liggéey ci diir biñ ko soxla livrer ko ci condition yu baax motax chambre de métier Tamba année yépp ñuy def ay série ay série de formation def nañ ko ci menuiserie bois def nañ ko ci tailleur yi doyagul mais nak ñoo ngi ci euh, fan yi passé inshallah rabbi début d'année bi dinañ continuer ak tailleur yi dinañ dem aussi ak euh, ñi def ci walu ñi liggéey ci walu métal bi ndax loolu mooy tax ñu mën a accéder ci yoonu marché bu ñu formé wu techniquement ba pare mën a organiser wu soit en GIE wala ku ci wóolu sa bopp it nga wut say kayit mën a postuler ci marché yi mën a gagné. ndax tey mairie bu Koupentoum wala conseil départemental bu Koupentoum lu mu yéene yéene artisan yi Koupentoum yi marché te artisan yi Koupentoum yi formalisé wuñu defuñu formation wala bu mën a tax aussi ñu mën a def liggéey bi ni ko waree ala kulli duñu leen mën a jox ay ay ay marché président mii tey mënul jënd benn pot ci turu conseil départemental. te jaarale wu ci ci ab entreprise wala je donc lolu aussi ah ñoo ngi ci liggéey amna na ay nit ñoo xam yobbu nañ leen Tamba def nañu ay formation ci walu marché public yi lolu yëpp pour nit ñi mëna am euh, information yu baax mëna a tok ne sa atelier rek di liggéey di wacc du mëna tax nga am ci marché euh, mairie wala conseil départemental wala gouvernement bu bu Sénégal. donc lolu aussi nañ ci gën ci liggéey ñu gën ci ñaax aussi ñom wacc bu ngeen encadrer fi pour que ñu gën mëna ñu gëna mëna formalisé wu ndax loolu mooy tax ñu mën a kii ci wàllu place yi ak yenn conditions yi tamit ñoo ngi ci liggéey ñoo ngi bind commencé nañu bind collectivité locale yi ndax ni ngeen ko xamee daaw yëpp année élection lañ nekkoon ñu ngi door def installation yi ci de juillet daanaka année bi yëpp ci procédure boobu la ñu nekk mais commencé nañu bind courrier ci collectivité locale yi pour que ñu mën a jox artisans yi ay zone artisanaux yoo xam ne ci mën a installer atelier yi ndax ñëpp dégg nañ Sénégal yëpp dëkk boo dem problème bi benn la foofu waaye nekk ñaari fan ñu toxal la foo nekk liggéey ñu ne yaa ngi ñuy tànqal wala yu demee noonu donc yooyu yëpp day laaj nit ñi mën a am ay zone yoo xam ne yu baax la fu ñu mën a installé wu nga xam ne ñoo koy moom nekk fa di liggéey jàmm ak salaam te duñu déranger kon loolu incha allah ñu ngi ci ñu ci ñu ngi ci loolu daañuy bind collectivité locale yëpp yéen élus yëpp ñu jàppaleen ci loolu ba nga xam ne loolu dina mën a dina mën a dina mën a antu donc en loolu mooy li nga xam ne moom la ñu la ñu fi ñëwoon tey li ñu bëgg a wax yëpp xëy na xëyul jotaay ndax tey tamit vendredi la te te xat na te monsieur le président aussi honorable député xam naa ne dafa ñoo jox ci temps mais ñi koy xaar euh, bari nañu kon dañuy jéem a gàttal gàttal kàddu gi di ko jéem a yemale foofu balaa ñuy terminer yi tamit dañ jot euh, jot li benn benn yóbbante monsieur monsieur monsieur honorable député foire Tamba bi koy organiser deuxième édition bi ministre de l'artisanat Mamadou Talla moo nekkoon parrain bi mom mo ñëwoon parrainé ko bi mu euh ci bi mu visité site bi mu visité stand yi amna fi artisan yu jóge won yu jigéen yu jóge won Copentum ñëwoon exposer fa waxoon ko doléance mu jëmon ci walu équipement transformation ci walu savonnerie mu joxoon instruction euh, directeur de l'artisanat monsieur Makhtar Diakhaté euh, lolu depuis 2000 mille deux mille euh, la je crois si je me trompe donc démb la ma Maxtaar Jaxate euh, wo yónnee na ma 200 000 francs munu ma won na ko tek ci loxoy jigen ñooñu xamal leen ne fàtte fàtte moom ak borom jamono mo xawna xat xelam gennon ci waye yónnee na 200 000 francs ma jox la ko après nga remettre leen ko officiellement ci turu euh, directeur de l'artisanat Maxtaar Jaxate ak euh, ministre de la formation professionnelle et de l'artisanat monsieur Mamadou Talla donc lool la amon lu ma ci doon wax Ah, li ñu amoon yéene wax yëpp ñu ko wax ñoo ngi sant bu baax ñëpp ku ñu fàttee euh, ñoo ngi lay jégalu wolof nee ne boo limee da dangay da ngay da juum en tout cas mais jigéen ñi Koupentoum ñoo ngi leen di sargal yéen itam bu baax ci seen mobilisation ak seen taxawaay euh, gën cee may mën a Mariama Fofana di suñu àndoo bu yàgg dem ba tey di leen gën a ñaax bu baax ngeen gën a jege chambre de bi xam ne yéen yéen a ko moom ndax nit aussi nit ku nekk la moom fa nga dem bokk ca nekk ca di ca wax say soxla ñu man di ko ñu mën ñu mën ko taxaw bu baax mais ku ñu xamul sa jàngoro duñu mën a faj sa duñu mën a faj sa soxla donc ñoo ngi leen ñaax bu baax monsieur la président di la gën a dénkaat artisan yi di ko dénk collectivité locale yëpp di leen dénk aussi monsieur le maire li ma leen di ñaax tout le temps mooy bu ñuy liggéey artisan yi nañuy lëkkaloo ak collectivité locale yi ndax euh, bu dul partenariat bu ñu mën a am résultat boo xamante ni bi ñu bi ñu bi ñu bëgg la donc ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn mooy li nga xam ne mooy euh, li ñu mën a jëmale ci kanam festival bi nag en tout cas ñun ñoo ngi seetee lu am solo la lu am importance la bi ni mu tàmbalee itam lu ñu rafetlu la ñun chambre de métier bu Tambacounda ndax euh, dañ ne culture moo nekk au début et à la fin de tout développement donc on a une initiative d'organiser le lu pour Pour monsieur le maire monsieur le président euh, du conseil départemental nous lay engagement pour que les gens ne xam lu ngeen de se faire. comme nous monsieur le président nous sommes délégation euh, monsieur le maire de Koutiaba nous di nuyu encore le président Thiam bu nga xamné né mo yoré centre de métier fii ci département Koupentoum ak équipe am di nuyu artisan et vraiment monsieur le président yow ñing lay remercier ñing lay jox mention spéciale parce que vraiment Yangi ngi jokkoo ak conseil départemental di liggéey ak ñom té rawatina ci festival bi ñi organiser moy pentum ñaan ndaxte avons festival nous bari dañuy la fête ak non festival développement lay indi ndaxte exposé yi de gis nous vraiment ay borom xam-xam ay borom ñu nga un ñi métier def vraiment chambre de métier ñom ñoo ci le conseil départemental amul lu muy def su remercier la te di la woon ne la conseil partenariat direct la ak chambre des métiers vraiment te sa équipe bi di ngi liggéey ak ñoom moo toujours le conseil ak ak conseil yëpp ñu ne ñoom organiser festival pour woone département Koupantoum am neen xam-xam mun neen liggéey ndaxte daaw bu ministre bi ñëwee visiter fii te bu mu ñëwee dafa bëggoon continuer bëggul woon jaar fii sax ñu insister bu mu fi ñëwee wax dëgg yàlla lu mu fi gis Rafet na ko trop vraiment ñu ngi lay remercier bu baax di lay ñaanal yalla nga yag fi yalla may la wergu yaram sa martaba te projet yu nga wax yalla def yexi ndax ndaxte le président Macky Sall moom nga xam ne mom mi ci bopam mo moo conseil départemental ñi organiser ay festival pour génnee sen cosaan pour génnee encore sen xam-xam nit yi mun xam encore ñi mun len jappalé ci ay financement kon lepp lu président wax dina ko def mom inshallah dina ko def parce que ñi ngi koy gis ci forage yi ñi ngi koy gis ci yoon yi kon loolu mu wara a defar fii chambre de métier inshallah dinen ci dox en tant que député té le ministre rappelé nako projet yu mu waxone yop dina ko def inshallah merci gannaaw bu nga ñi joxé information boobu vraiment encore di remercier jigéen ñi ndaxte vraiment sen liguey rafetna té te déggu encore ngeen di wax affaire financement yi vraiment président dafa taxaw depuis mu ñew amna ay kuréel yu mu génné pour nous def ba jappalanté ñi am ay financement comme nous président bi waxé da ngeen di jege chambre de métier mu na am seni kayit am seni dossier té vraiment ñin en tant que conseil départemental nous ngi signé ben partenariat FONGIP si mois de janvier pour nous faire financer bu financer euh, groupement yi ak ñu nga xam ne ne ñu ngi yore seeni i métier ñi am financement ñu mun a liggéey te loolu euh, en tant que conseil bi ñun en janvier incha allah dinañ ko signer avec FONGIP ak benn banque UMSEC bu nekk Tamba loolu vraiment ñi ngi si marché yooyu te incha allah dinañ liggéey ak ñii lu mu leen di ñaan rek mooy seen dossiers yi ngeen jege conseil département ngeen mun a déposer seen i dossiers yi maanaam nii nii ak récépissé yi ñuy laaj am na ay projet individuel am na ay projet yu nga xam ne ne vraiment ay groupement la kon monsieur le président nous remercie lay remercier déplacement bi nga def ñëw depuis daaw ba léegi dañuy jàppale di remercier encore surtout cette équipe bu est ici. ndaxte sa équipe qui est ici, Tiam, Grand Issa toujours nous ngi au conseil département di remercier encore bu euh, mon secrétaire général Tidiane Nous ndaxte vraiment euh, loo xam dafa set soo nekkee nit bu nga xam nga dénk ko liggey mu koy jaarale yoon te lepp lu mu wax ak yow dafay ñëw teg ko sama tab nee li ak li vraiment maa koy ñaanal mom tammi yalna yalla yàlla martaba parce que c'est un jeune kuy liggey vraiment ku sot loxam set te nekk jullit soxlawul alal jambour kon vraiment ñin en tant que conseil département nga xam mako diriger vraiment ñin ñi ngi prêt pour jappalé département bi ndaxte alal askan bi moomuñu ko yéen a ko moom kon luñu war te président santané ñi organiser ay festival histoire il faut nous jël suñu moyens pour tam ñi am département ñi département bi vraiment liggéey ñu financement Abdoulaye Faye je suis infirmier au district sanitaire de Kumpentoum je suis venu ici aujourd'hui pour participer au festival qu'on a organisé ici pour Niani. Euh, en ce qui concerne l'hôpital, on est venu ici au nom du médecin-chef du district, euh, Michel Ba, Kalidouba. Il nous a envoyé ici et il nous a donné aussi du matériel pour qu'on vienne faire ici une journée de dépistage volontaire en ce qui concerne la diabète. C'est ce, euh, ce qui justifie notre présence aujourd'hui avec les infirmiers qui sont autour de moi on est là, on voit vraiment que la journée s'est bien passée. Il y a des gens qui sont venus pour faire le dépistage. Mais ce qu'on déplore de plus, c'est que vraiment, on souhaiterait vraiment que tout le Coupentum sorte pour faire ça. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui, n'est pas donné à tout le monde. Un dépistage gratuit, une journée gratuite de dépistage en qui concerne le diabète. Et tout le monde sait aujourd'hui ce que le diabète fait aujourd'hui au Sénégal. Il fait partie des maladies que vraiment beaucoup de gens craignent aujourd'hui. Et vous voyez, ça s'associe aussi le plus souvent avec ça, avec euh, l'HTA. Hein. Donc vous voyez ce que ça fait donc. D'où l'importance vraiment de venir se faire dépister. maintenant, ce qu'on a vu aussi, on a vraiment on a d'excellents résultats aujourd'hui. Parce qu'il y a le comité, la cellule diabétique qui est là, et en accompagnant avec nous. Eux aussi, ils ont mobilisé leurs membres, ils sont venus, euh, ils sont dépistés depuis ce matin. Vraiment, ça, c'est une très bonne idée qu'on a, qu'on a fait et ça, c'est quelque chose qu'on encourage au nom du médecin-chef Depuis ce matin jusqu'ici, on a dépisté au moins 70 et plus, 70 cas et plus, y compris les diabétiques qui sont déjà dedans, parce qu'eux aussi, ils ont leur, comité qui est là, leur cellule, parce que c'est une association qu'ils ont organisée pour uniquement aider les gens. Euh, d'ailleurs, c'est à eux-mêmes qu'on doit remercier parce que vraiment, ils ont participé. Parce qu'eux aussi, avant que cette journée soit euh, qu'on a pris la décision de faire cette journée, eux aussi, ils avaient déjà programmé cela. Donc, on a fait un commun accord avec eux, euh, on a fusionné la journée avec eux pour faire cette Donc, le festival maladie universelle de Tamba a tenu à marquer de sa participation donc, euh, du premier festival donc, de Kupintum. Nous avons voulu accompagner les festivaliers. Nous savons que la culture est au début et à la fin de tout. Nous voulons que la mutualité soit ancrée dans la culture de la population de Tambacouda et plus particulièrement de Kumpentou. L'Agence de la couverture maladie universelle a, à ce jour, accompagné le district sanitaire de Kumpentum dans la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans. Nous voulons relancer cette année le plan Sésame. Le plan Sésame permet la prise en charge des personnes âgées de 60 ans et plus dans les postes de santé et les centres de santé. Vous savez qu'à ce jour, c'est pratiquement l'EPS, donc l'hôpital de Tamba, simplement qui prend en charge les personnes âgées. Or, notre politique c'est d'aller toucher les personnes qui n'ont pas de couverture et qui concernent 80% de la population dans les coins les plus reculés. C'est pourquoi nous voulons maintenant que chaque personne âgée qui se trouve à Kumpintu puisse se soigner dans les postes de santé et le centre de santé. Cette année, nous voulons aussi accélérer le remboursement des 0,5 ans. L'agence a, ce jour, injecté beaucoup d'argent dans les postes de santé et centres de santé. La dialyse, vous le savez, est pratiquée à l'hôpital de Tamba. Maintenant, nous voulons maintenant relancer, nous voulons que les mutuelles de santé, les 10 mutuelles de santé qui se trouvent à Kumpentum, puissent avoir une très grande adhésion. Vous avez combien de membres dans les mutuelles Dans les mutuelles de santé, à ce jour, dans les mutuelles de santé, à ce jour, le taux de pénétration est très faible. Nous avons les BSF qui sont actuellement plus nombreux que les adhérents classiques. Or, en fait, les mutuelles de santé permettent à 80% de la population qui n'ont pas de couverture, à savoir les paysans. Ici, vous avez la chambre de métier qu'on va visiter, les gens du secteur informel, les commerçants, les ouvriers, les menuisiers, les maçons. Donc nous voulons que tout ce beau monde puisse accéder à une couverture. Et cela ne peut se faire qu'à travers les mutuelles de santé. L'État a pris en charge les indigents, qui sont les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale. Mais cela ne suffit pas. Il faut que les autres y participent. Parce que la mutuelle, c'est en fait pour la population. Si une personne cotise 1500, c'est 3500, l'État lui donne 3500. Donc je pense que ça, c'est une invite à ce que toute la population y participe. Déjà, nous avons en place 10 mutuelles de santé qui sont très performants et je remercie en passant le président de l'Union départementale de Kumpentoum qui fait un travail extraordinaire. Parce que quand on compare les mutuelles de santé qui sont dans la région, les mutuelles de Kumpentoum quand même frôlent en tête. Et là, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais nous voulons quand même que la mutualité s'agrandisse. Nous voulons que la mutualité pénètre dans le plus profond de Kumpento. Le, partenariat entre la CNU et le festival, c'est parti pour durer alors Non, c'est un partenariat qui va continuer. Parce que le directeur général est conscient que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la culture est au devant. La culture est en premier lieu et la culture aussi est à la fin. C'est pourquoi nous avons tenu à, accompagner donc le festival pour que fait la mutualité s'installe, soit une culture, que ce soit culturelle, comme ce qui se passe en France avec la, sécurité sociale. C'est devenu culturel. Nous voulons que aussi cela se passe à, à C'est pourquoi nous avons tenu à accompagner donc euh, le festival de Kumpentoum, pour montrer aussi notre attachement à tout ce qui touche la population. Donc nous sommes là Vive le festival. maa ngi remercier couverture maladie universelle yi nga xam ne vraiment ñu ngi jàppale suñu département bi ndaxte couverture si festival bi pencum ñaani bi def nañ si 4 millions 200 vraiment loolu mooy première fois bu nga xam ne ne eh, ñi ngi ko eh, ñi ngi ñi ngi ko jàppale eh, pencum pour mun a sensibiliser nit ñi ñi mun a adhérer si mutuelle de santé bi té encore ñuy remercier bu baax euh, ñu couverture maladie universelle bu nek ci département bi ak bu nek euh, vraiment ci région bi nga xamné né ñi ngi def partenariat avec euh, le conseil département bu nga xamné né conseil département jël na décision pour jox leen bureau té vraiment encore ñi conseil département vraiment fàttewuñu santé té nit ki mom bu wérul du mëna def dara moo conseil département euh, si budget daw daaw defar na ñaari ambulance yu nga xamné né ñi ngi nekk ci district sanitaire bu Koumpentoum té nekkagul hôpital parce que vraiment ma ngi remercier encore conseil ak président commission yi gëna bu ñuy taxawé pour ñi ñu jàppale leen té suñu neexoon ñu né euh, euh, dispensaire la duñ fa def suñuy suñuy suñuy xaliss parce que conseil département compétence am hôpital hôpital un wala deux moom moy compétence am mais en tant que doomu département bi te askan bi fal la te ñu bëgg am vraiment hôpital il faut que ñi jàppale la moo encore ren eh, ñi def virement de crédit bu nga xamné né dañuy jënd radiologie bu nga xamné né pour euh, département hôpital bi mëna am radio. ñi baña dem ay Tamba ay ki ñi mëna faju fi moo tax man en tant que président du conseil ak sama équipe euh, hôpital régional bu pour ñi intervenir leen fofu ñu jappalé man mi sama dama parce que dama ne carrément sama sama dispensaire bi la bëgg mu doon hôpital ñu lancé encore ministère ministère de santé pour vraiment mu ñeu hôpital bi parce que euh, assemblée nationale bokon na ci programme bu nga parce que hôpital bi euh, tabax euh, comment encore mooy ñu nga xamante ne depuis Ablaye Wade lañ ko tabaxoon mais bon ñun bu ñu doon dem assemblée nationale di ñoo fekk carrément ñu ne hôpital bi mu ngi fonctionné te or ko fonctionné wul amul dara finalement ministre bi sax moo si intervenir bu nga xam ne ne vraiment ñoom ñu delluwaat foofu di fa liggéey léegi nag ñu ngi ñaan ministre bi vraiment lu mu ñuy promettre assemblée nationale mu ñëw ubbil ñu hôpital bi ndaxte conseil département mu ngi siy def loxoom. te beaucoup ci comité gestion bi ñu ci dara mais ñun askan bi la ñuy xool ñu di vraiment ma ngi remercier couverture maladie universelle jappalé bu ñu jappalé ñaani ci euh, partenariat bi à convention bu nga xamné 4 millions 200 vraiment ngi le directeur niveau national pour remercier bu baax vraiment te dinañ and liguey je vous remercie. ñun en tant que conseil département suñu budget buy ñëw dinañ xool ñun ak conseil ñun tam naka lañ leen mëna jappalé bu nga xamante ne vraiment ñëpp dinañ si yéeg am mun si dugg bu soobee rek Kariyeri telefonun Demedi direkt atmaya yapıyoruz. Direkt de beraber ilerlemeye yapıyoruz. Önce bırakma kol al. Thank you.

mooy wane aadaam ndeysaan ñaani bañ na ndeysaan yu xamul day ñoo koy moomale waa ñoom Kalidou Ka nga ñoo tax ñu nekk fii waaw waaw eh, eh, eh, sëñ Gaay waaw suñ ko ko tukulóor yi ñoom ah, bëles la ñuy jëy waaw bëles yàlla la ñuy indi jëy ndeysaan ñoom ñëpp ha ah, basiru ñaay assalamu aleykum mbooloo mi onoon banndiraaɓe min calminoo noon kala min yeccaani hay gooto debbo e gorko suka e mawɗo min poti yettoraade heen ni min liggoreen no min poti liggoraade heen ni allah jaaraama on jaaraama onoon banndiraaɓe min ngari minen puutankooɓee min ɗo e heen minen fuutankoɓe min gari fedde fuutankoɓe fedde fatuma eyi eh, wassalamu aleykum نترجعوا فينا ان شاء الله في السعاده ونترجعوا اننا ننجحوا بالسلامه والسعاده وهاي عادت رحله البيضاء هاي ما عين راعي مطرحه وهاي ما عينو تيعي ويزنيك وهاي القربة اللي نشربوا فيها وياك العروس يا العروس ترجع صابن عند بولانا اننا يشحوا ونودو حنا مال هما مالوا اننا نصرنا بولانا السلام عليكم ñun tay naar dañu ñëwon wone suñu aada ak suñu ciosan mbaga wone suñu aada ak suñu ciosan ci bis bi and ak suñu seet bi ñi ni suñu gërba ni suñu zireek ak suñu maayen defar ba baax wane suñu aada ak suñu cosaan daal loolu moo ñu tax a jóg defar bis ba mu baax loolu moo ñu tax a jóg. seet bi si aada bi la bokk moo tax ñu indi ko suñu aada la dañoo bëgg a wane suñu aada seet daal suñu ceet lu ñuy def loolu moo tax ñu ànd ak seet bi ñun ko pentum lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ yaroo te fi lañ fekk baaxit waaw. festival bi neex rek macha allah dëgg yàlla neex na culture am na aada am na cosaan am na dara manqué wul lekk nañ naan nañ def nañ lépp dara manqué macha allah sant yàlla bu baax. يا ربي يا ربي يا ربنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربنا سي ربي يا نغا وجه جما يا ربي يا ربي يا ربي يا ربنا يا ربي سي ربي يا نلا جما تاچو Lawa Usmana Hey! Eh, eh. monsieur les adjoints au préfet, monsieur les sous-préfets, monsieur les chefs de services départementaux, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le représentant du ministre, chef de cabinet, ici présent, monsieur les conseillers, chers chefs religieux, Chef coutumier, chers grands frères, parrains de cette journée, notre papa Bounassé dont notre grand frère et notre frère et ses jeunes frères, tous présents, dignement représentés ici aujourd'hui. La famille Bounassé dont nous nous sommes nés à son époque, où il était chef de canton. C'est une fierté pour nous. Fils de cette même famille, d'avoir aujourd'hui comme parrain ce grand homme, ce bâtisseur, ce grand musulman, ce turudi, cet éducateur. Je m'appelle Elagibounas Semounian chers compatriotes du département de Kumpentum, du Nyani Kalankadougou, du Nyani Sandougou, du Nyani Toukouleur, du Nyani Wouli et du Bambou. Pourquoi le Bambou Le royaume du Nyani s'étend dans le Bambou. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est avec une grande fierté, en tant que premier magistrat de cette ville, honoré de me présenter ici pour parler au nom de cette population et souhaiter la bienvenue à tout le monde des quatre coins cardinaux de ce département et de cette région. Chers compatriotes, je ne serai parler sans féliciter mon jeune frère Omar Sy Chers jeunes frères, c'est avec une très grande fierté que je me présente devant ce micro pour vous féliciter, pour vous remercier, pour vous encourager dont l'esprit de grandeur vous a permis aujourd'hui de faire la deuxième édition de Pentium Je te félicite parce que vous avez été courageux. Je te félicite parce que vous avez écouté les conseils. Je te félicite parce que vous n'avez pas manqué du tout de l'âge. Chers frères, un grand homme s'identifie au moment où il prend ses responsabilités en organisant quelque chose. Et vous l'avez réussi. La culture, c'est ce qui identifie un peuple le Nyani, depuis l'événement des royaumes à nos jours, n'a jamais cessé de rayonner. Mais la flamme était éteinte. Mais vous l'avez allumée, chers frères. Je vous remercie encore une fois et je vous encourage. Chers frères, chers grands frères parrains, Koupantoum est honoré aujourd'hui par votre présence dont une grande partie de la famille aujourd'hui ici présente. Je dis encore, ce n'est pas la famille de Bouna Semounian seulement qui est honorée, mais c'est le Nyani, c'est les fils du Nyani. Connaissant le vieux Bouna Semounian, venu comme chef de canton, qui a élargi ses bases vers les anciens chefs coutumiers de ce terroir. C'est pourquoi je ne serai terminé sans féliciter tout un chacun, les conseillers départementaux, les chefs religieux, les donateurs, ceux qui ont accepté de venir aujourd'hui marquer leur présence dans l'histoire. Je félicite aussi le président de la commission scientifique, dont hier a fait passer en revue avec la famille le passage est l'œuvre de Bouna Mounian. Chers frères, chers compatriotes, je félicite tout le monde et je prie pour tout le monde. Monsieur le gouverneur de la région, je ne serai terminé sans vous féliciter et féliciter l'autorité administrative locale qui est le préfet qui vous représente ici. Euh, lors de l'accident, dont vous avez demandé de faire une minute de silence, je ne peux pas m'arrêter devant ce micro sans vous dire que combien de fois on était satisfait de votre présence dans cette commune. Un gouverneur jeune, un préfet jeune de l'âge, mais grand de l'esprit et courageux quitter Tambacounda à 0h, 1h du matin pour assister jusqu'à 6h du matin pour éteindre le feu. Mais, monsieur le gouverneur, euh, cette occasion est une occasion culturelle. Mais je ne serai terminé sans vous dire que Koupantoum mérite un hôpital dont le plateau doit être relevé. Vous savez, Koupantoum étant le centre du Sénégal, et tout un chacun le connaît. Quand on quitte Dakar, arrivé à Koupantoum, on a sommeil. Quand on quitte Kidira, arrivé à Koupantoum, on a sommeil. Quand on quitte Kolda, arrivé à Koupantoum, on a sommeil. Donc les accidents sont permanents. Nous demandons de grâce et nous interpellons le chef de l'État de venir au secours à ce que cet hôpital pour avoir un bloc opératoire en urgence avec vraiment un plateau très élevé. Cela est une nécessité. Non seulement une chose que l'on doit parler, mes chers frères ressortissants de Coupentum, ensemble bâtissons ce, ce, Ensemble, unissons-nous pour pouvoir réussir les mutations. Le Sénégal est à l'heure du développement et de l'émergence. Si toutefois que nous ne nous donnons pas la main, nous serons en retard. Il n'est pas permis aujourd'hui d'avoir des hommes comme, comme Major Bouna, Bilay je cite, et tant d'autres, pour ne pas réussir en développement de ce département. Un département riche agricolement, dans l'agriculture, un département important. Donc, monsieur le gouverneur, excusez-moi d'être long, tout simplement, c'est la passion. Je vous félicite je vous remercie, je vous encourage, je dis bismillah à tout le monde. c'est la fête on organise et je vous remercie. Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités locales du département de Kumpentoum. Monsieur le représentant du ministre de la Culture, imam et notable de la région, Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est pour moi un honneur et un plaisir immense de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous transmettre les remerciements de la famille de feu El Hadj Bouna Semou qui a été choisi comme parrain de cette présente édition du festival Penchum Nyani. Je voudrais, au nom de mes aînés ici présents et de tous les membres de la famille, Exprimer à l'endroit du conseil départemental et des populations, notre joie et notre profonde gratitude pour cette noble initiative qui touche profondément nos cœurs. Mesdames, Messieurs, chers invités, vous nous donnez encore une fois l'occasion de revisiter le patrimoine matériel et immatériel du Niani, mais aussi de parler des illustres personnages qui ont marqué l'histoire de cette région de par leurs actions, leur patriotisme, leur engagement pour le respect de la dignité humaine. Ils sont entrés dans nos vies pour les enrichir et nous doter d'un viatique indispensable pour notre propre développement. Papa Bouna Semou ou Mambouna pour les jeunes générations était de cela. Sa vie était véritablement le Nyani. Pendant près de cinq décennies, il a fait partie de l'histoire de cette région qu'il a accueillie il lui a donné l'opportunité de se réaliser spirituellement et matériellement, de faire éclore sa vision humaniste. Parler du parrain, monsieur le gouverneur, n'est pas une chose aisée, car il y a toujours des aspects que je vais certainement laisser en rade au regard de sa dimension et de l'immensité de son action sociale. Je me limiterai à rappeler brièvement son cursus et les qualités qui lui sont reconnues. Bounassé Mounian est né à Sagata Djolof en 1906. Admis à l'école des fils de chef, il a eu un parcours scolaire brillant. Après son stage au tribunal de Kaulak, il fut nommé chef de canton à l'âge de 27 ans. Il occupa successivement les postes de chef de canton de Ngagne et de Koki de 1934 à 1945, avant d'être redéployé vers le Nyani Kalangadougou dans cette terre du Sénégal oriental à l'instar de ses prédécesseurs, ce preux chevalier apporta sa contribution à l'organisation et au développement des communautés en facilitant l'accès des populations aux infrastructures et services sociaux de base, mais aussi en œuvrant pour la promotion de systèmes agraires. En 1960, avec l'avènement de la République, marquant la fin de la chefferie traditionnelle. Il fut maintenu dans la nouvelle administration comme chef d'arrondissement à Koussanar et à Kumpentum. Son engagement au service de l'administration et des communautés lui a valu plusieurs distinctions. Je vais en citer quelques-unes officier de l'ordre national, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'étoile noire du Bénin, officier du Nisham Iftikhar, grand croix de l'ordre du mérite, grand officier de l'ordre national du Lion, grand croix de l'ordre national du Lion. Il fut un homme proche du peuple et des communautés qu'il a fait participer au processus de gestion des terroirs. Toute sa vie durant, il s'est illustré par des actions à haute portée sociale, par son militantisme en faveur des coûts sociales défavorisés, des familles démunies, des orphelins qu'il a eu à parrainer. Nous retenons de ces enseignements le culte du travail et du devoir accompli, la passion pour l'acquisition de la connaissance, l'esprit de solidarité et le respect de son prochain. Bounassemou Nyan prit sa retraite en 1965, mais demeura au service des communautés jusqu'à sa mort survenue en 1993. Il a été enterré ici, dans le Niani. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, Bounassemou a confié son corps à cette terre qu'il aimait tant a voulu manifester son attachement et sa reconnaissance à cette région du Sénégal et aux populations du Niani qui lui ont tant apporté. Le festival constitue un cadre pour valoriser notre patrimoine culturel et échanger sur les valeurs et les vertus qui doivent fonder l'existence de tout individu, voire la société. On ne peut pas avoir économiquement raison si on a socioculturellement tort. Pour vous dire simplement, la culture est au début et à la fin du développement. Ce festival doit servir d'espace pour promouvoir les relations de bon voisinage et adresser les problématiques de développement local afin de trouver les solutions idoines. Nous avons un grand département qui regorge de potentialités économiques. Nous avons également des ressources humaines de qualité, des cadres de haut niveau originaires de la région, mais qui sont éparpillés sur le territoire national et dans le monde. Il nous faut donc mobiliser cette masse critique de bonne volonté autour d'un plan de développement économique et social qui nous permettra d'atteindre nos objectifs d'émergence, de création de richesses et d'emplois pour les jeunes. Monsieur le gouverneur, la famille du parrain s'engage à côté du conseil départemental et de la commune, mais également des jeunes du département pour rechercher les opportunités d'investissement en vue de soutenir les initiatives de développement de notre localité. Je ne saurais terminer sans remercier le comité scientifique du colloque sur l'histoire du Niani qui a travaillé en un temps record, et précisément en deux mois, sur la vie et l'œuvre de Feu et l'âge, dans des conditions difficiles parce que sans moyens. Je pense que ce comité de pilotage ou comité scientifique du colloque mérite encore une fois, tout des remerciements. Nos remerciements vont encore à l'endroit du proviseur du lycée Elage Bounesse de Koupantoum, l'infatigable André qui a su tenir avec brio le management organisationnel de ce, de ce colloque. Encore une fois, Monsieur le Gouverneur, nos remerciements vont à l'endroit des responsables des services déconcentrés de notre État, les imams, les notables du département, les jeunes, les femmes, les hommes de culture, les participants de ce festival qui aujourd'hui a le caractère d'un melting pot très bigarré car il s'agit d'un creuset multiculturel. Je vais terminer par souhaiter à l'ensemble des forces vives de notre département de Coupantoum une entente mutuelle réciproque pour pouvoir soulever les défis qui nous encombrent. Coupantoum, généralement, on pense qu'il est coupé de tout. Malgré ses potentialités, les richesses de notre sol, de notre sous-sol, de la masse critique, de cette intelligentsia, des intellectuels ressortissants de Coupantoum, je lance un appel pour que toute cette force vive, encore une fois, puisse se retrouver et que ce festival se pérennise. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs chers invités, au nom de la famille du parrain, nous vous souhaitons la bienvenue et prions ensemble pour que ce festival se pérennise. Je vous remercie de votre aimable attention. Travaux de recherche sur l'histoire du Nyan. Au terme de ce travail, il est clair que la présence humaine dans le Nyani est très ancienne. En attestent les mégalithes de Tchéken, de Duba et même de Koupentoum, des mégalithes qui datent de la proto-histoire, donc il y a plus de 3000 ans. Par la suite, on a noté d'importantes vagues migratoires, dont celle des Saucés venus de l'Empire mandé et qui ont occupé tour à tour le territoire appelé aujourd'hui Niani. Ces derniers vont fonder plus tard un royaume dont la capitale sera Niambour, plus Lungusine. Ce vaste royaume, pourtant bien structuré, en atteste une organisation politique simple mais efficace, une économie autosuffisante et une vie culturelle très diversifiée qui fera l'objet de beaucoup de convoitises. Monsieur le préfet du département de Koupantoum, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de Koupantoum et les maires de d'autres communes, monsieur le président du conseil départemental, monsieur et madame les députés, monsieur le haut conseil des collectivités territoriales, Monsieur le président des chefs du village, Monsieur le président des notables et des chefs de quartier, Monsieur le, président, du Conseil économique et social, euh, le représentant de la famille, Monsieur le, monsieur responsable des femmes APR nous leen di ministre de la culture aujourd'hui mon mais xam ngeen il est à Kolda ci le festival de 2017 que nous ñewul fait, mais ce ñi ko ñewal nous suñu xol sedd na ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu leen di wax ne su neexee yàlla le ministère de la culture Mbagnick Ndiaye na dina fi comme ça on va faire une journée culturelle de coupantum, on va inviter tous les artistes on va les décorer ici à coupantum. ça aussi je prends l'engagement de vous dire qu'en présence de monsieur le ministre ça s'organisait dans dans l'année 2017 xamuñ nag quelle heure lay quel ak ban jour lay mais on va prendre contact avec le président du conseil départemental avec le député pour fixer la date ñu ngi leen di gërëm di leen sant li ñu di ñaan nag moo ñu jël euh, exemple ci le parrain famille bi wax nañu le maire de la commune wax nañu ko on peut pas faire la paix on peut pas faire le développement sans la paix nañu juboo faire un ben. li ma gis fi dal sama xel kontaan ci on va rendre compte au ministre monsieur le gouverneur de la région monsieur le représentant du ministre de la culture et de la communication monsieur le préfet du département et son adjoint monsieur le sous préfet et leur adjoint monsieur le maire de Kumpentum, Monsieur le maire du département de Kumpentum, Madame l'honorable députée Ndiole Diouf, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Conseil économique, sociale et environnemental, Monsieur le Président de la Chambre des métiers de Kounda, Monsieur le représentant de la famille du parrain, le feu du Bounan Semounian, Monsieur le représentant régional de l'Agence de la couverture maladie universelle, représentant du directeur général, notre partenaire, Monsieur le représentant du mouvement de la Renaissance africaine, Monsieur le président de l'association des chefs du village du département de Kumpentum, Monsieur le Président de Galais Aïnabe, représentant du ministère de l'élevage et des productions animales, responsable politique du département, Monsieur les membres de la COSER départementale, Monsieur les membres de la Commission de la culture du département, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission technique du festival, honorables invités et population de Niani, je remercie, Dieu de nous avoir permis de vivre à nouveau ce moment fort qui commémore l'ouverture de la deuxième édition du festival Pentium Niani. Ce festival qui est pour nous la matérialisation de notre politique culturelle au sein du Conseil et nos jours un des rendez-vous annuels de tout le département. Il s'agit d'un cadre de partage, de propositions et de promotion des potentialités économiques culturelles que le département de Compantum offre comme au monde. Le conseil départemental, en organisant ce festival, cherche à mettre en commun toutes les collectivités locales autour de l'essentiel, qui est le travail, et de donner à la politique son vrai sens, qui est la gestion de la cité. C'est pourquoi on, ne le dira jamais assez. Il y a un temps pour la politique et un temps pour le travail. Le temps qu'il faut maîtriser le pli, le plus est celui du travail, car seul le travail paye. Mesdames et messieurs, chers invités, la culture est souvent prise comme levier pour asseoir au développement, mais pour nous, c'est le moteur de l'essence même de ce développement. La diversité culturelle retrouvée dans le département doit en constituer ses nourricières. Je suis convaincu que le département de Kumpentum ne pourra jamais se développer sans la contribution de chacun parmi nous. Vous et moi, ensemble, nous pouvons faire de ce département une référence nationale et même mondiale. Nous avons ce qu'aucun autre département du Sénégal n'a pu avoir. Nous sommes le centre géographique du Sénégal, Payar. Nous avons un village à plus de 44 rois, Ndiambour. Un village aux forestiers multiples et variés, qui est Nungoussine, Un pays rempli de femmes qui sont mortes pour l'honneur, Tural, Gounjour, etc. Tout cela constitue un ensemble de richesses énormes qu'il faut valoriser et promouvoir. C'est pour cela que nous, nous appelons tous, tous les partenaires à faire de ce centre du Sénégal un centre industriel et économique national et sous-régional autour de la route nationale numéro 1. Au ministère de la Culture, nous demandons la construction d'un centre culturel polyvalent pour la promotion de toutes les expressions culturelles de la zone. Le même appel est fait à l'endroit de tous les partenaires pour que Kumpantum soit un département digne de son nom. Avant de terminer mon propos, permettez-moi seulement de rendre grâce à Dieu et parler du parrain d'honneur de la deuxième émission de ce festival. Parler de feu Elas Bouna Rahimahullah, c'est par chose aisée car il s'agit d'une personne exemplaire et un combattant infatigable contre l'injustice, l'insuance, un combattant de la paix et contre euh, euh, l'oppression des peuples. Nous, cela, nous avons choisi de faire lui le parrain afin que les jeunes et les populations fassent de lui une référence. Cela, sa famille l'a compris en voulant bien accompagner le comité d'organisation à tous les niveaux matériels, techniques et financiers. Mesdames et messieurs, chers invités, je termine mon propos en remerciant toutes les autorités administratives, religieuses et traditionnelles ici présentes. Mes remerciements aussi aux autorités locales et politiques. Mention spéciale à nos partenaires, dont la famille du parrain, la CEMI, le mouvement de la Renaissance, le ministère de la Culture et de la Communication représentés ici par le chef de cabinet. Merci également aux différentes ethnies qui ont montré leur diversité culturelle. Merci à tous les conseils départementaux et à la commission culture dirigée par le président Tidjane Sewan. Merci à toute la population d'Ignani. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le sous-préfet de Koutiaba Wolof et de Babakalen, je n'ai pas oublié l'adjoint au préfet de Kumbendoum. Monsieur l'honorable député, président du conseil départemental de Kumbendoum, Monsieur le maire du département de Kumbendoum, honorable député, Madame Diouf, ici présente, Monsieur le conseiller des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le chef de cabinet de Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le représentant du parrain, Monsieur Bouno Semounia, Monsieur le représentant du DG de la CMU, Monsieur le chef de services régionaux et départementaux, notamment l'adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie de Tambaconda, monsieur le chef régional du tourisme, monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Compentum, ainsi que l'ensemble des membres des services départementaux de Compentum. Mesdames et messieurs les membres de la famille du parrain, mesdames et messieurs les conseils municipaux et départementaux de Compentum, notabilité religieuse et coutumière de Compentum, Chers invité, chacun, chacune en ses titres et qualités. Permettez-moi d'abord, à l'entendre de mon propos, de vous présenter vivement, et M. le secrétaire de cabinet l'a dit, les excuses objectives de M. le ministre de la Culture et de la Communication, qui, comme vous le savez, et comme il l'a si bien dit, se trouve présentement au niveau de polda pour les besoins du FESNAC. C'est pourquoi il m'a demandé, personnellement et même vivement, de venir représenter ici au niveau du festival Pentium Kumbentum. Et je me suis honoré quand même de le représenter en tant que ministre de la Communication. Mais moi-même, je suis même honoré personnellement de venir présider ce grand, festival qui est déjà inscrit dans le calendrier culturel de l'État du Sénégal. Et nous en sommes à sa deuxième édition. Tout d'abord aussi, vous me permettez, mesdames et messieurs, de féliciter vivement Monsieur le Président du Conseil départemental, et à tous les acteurs de ce festival, aux membres du comité scientifique pour cette belle initiative culturelle, deuxième du, nom, qui traduit en un pas douter l'ambition du nouveau conseil départemental de Complétum de faire euh, sienne la politique définie par le système de l'État, qui est la territorialisation des politiques publiques. Aujourd'hui, nous voulons des territoires, j'allais même des collectivités locales, viables et compétitifs. C'est ça un peu l'essence de l'acte de la décentralisation. Et il faut nécessairement, pour remplir quand même cette obligation, ou bien pour remplir cette belle ambition, passer par l'ambition de valoriser le patrimoine culturel, culturel, qui d'ailleurs doit constituer le socle d'un développement économique et social endogène et partagé. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous livrer que dans le cadre de la réécriture de l'histoire générale du Sénégal, présidée par le professeur Ibadet Cham, Tambacounda a été choisi pour habiter la première cérémonie de lancement qui est prévue le 28 janvier au niveau de Tambacounda. Et je voudrais profiter de cette occasion pour euh, euh, inviter M. le président du conseil de, de, de, de le président du comité scientifique, pour venir assister personnellement à ce CRD pour livrer à l'Assemblée de la communication nationale le passé, l'histoire riche de, de sur ce, je voudrais euh, euh, également m'approprier l'histoire euh, très russe, très instructive et variée du Nyani. Parce que j'ai entendu le mot Nyani Bagna, donc à mon avis je peux le traduire par une terre de refus face à l'oppression, face à la volonté de, domination et face aussi à la volonté de déculturation des peuples. C'est pourquoi d'ailleurs, au-delà de ce festival, inscrit dans le calendrier culturel, grâce à la diligence de M. le ministre de la Culture et de la Communication, je voudrais, je répète encore une fois, dire au comité scientifique et au président du conseil départemental de lier ce festival à toutes les activités de développement de la localité. Car aujourd'hui, ces deux notions, je veux dire la culture et le développement en Afrique, sont intimement liées, puisque les modèles de développement économique diffèrent d'un continent à l'autre d'une culture à l'autre. À titre illustratif, un développement économique sans solidarité, sans entraide, sans le respect de la valeur et de la dignité humaine n'est pas à notre avis le développement que doit prendre en compte nos valeurs. Parce que nous avons des valeurs de solidarité, des valeurs d'aide, des valeurs d'entraide. Et il y a des, développements qui ne prennent pas en compte ces valeurs-là. Donc, comme vous voyez, l'histoire et la culture, le développement et la culture doivent être intimement liés. C'est pourquoi je voudrais prendre cet exemple vraiment de ce festival qui est aussi quand même euh, qui a aussi des retombées de, développement pour magnifier le, la volonté de, vouloir vivre en commun qui est le socle de la nation sénégalaise. C'est pourquoi d'ailleurs, pour un peu emboîter le pas à M. le Président du parrain, parce qu'aujourd'hui quand on parle de M. Boulos qui a été chef de canton, c'est vrai qu'il a une famille, ou bien il a des héritiers au niveau familial, mais nous-mêmes, nous sommes ses propres héritiers. Et je vais prendre cette occasion pour dire, encore une fois, que si nous, avons la chance d'avoir un pays de paix, un pays euh, stable, nous devons aussi grâce quand même à des hauts cadres de l'administration coloniale, l'administration sénégalaise, comme M. Bouna Semounia. Parce qu'ils ont tôt compris qu'au Sénégal, la nation a précédé l'État. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons tous un État de paix, un État stable, un État démocratique ce qui n'est pas le cas quand même pour d'autres contrées que nous, que nous savons. Et ça, vraiment, nous le devons aussi grâce vraiment à de hauts fonctionnaires qui, ont, qui sont devenus corps et pour construire l'État, construire la nation sénégalaise. C'est pourquoi la paix, la sécurité et le développement sont les maîtres mots du Sénégal, sont les maîtres mots du chef de l'État, M. Macky Sall. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, les quelques premiers que je voudrais prononcer. Et je voudrais enfin profiter de cette occasion aussi pour lancer officiellement le métier officiel du festival Pencum Niani, deuxième édition du Nord merci beaucoup Thank <laughs> you. aw ma dara li mu yor si ginnaaw. amatoo aw ma dara li mu yor yi ñetti li mu yor si ginnaaw laa bëggoon nga am caméra wax ay pexe yu ma defal la yu ma àggal bi fee. booy jàpp ci rek booy man Fatou dama ko war a jox waaye war a jàll ci waaye bi yàlla. ah. Assane Assane.